man magi ngi maay Malik Diop euh, bokk ci fondateur u ferme BDD moy animaux d'ornement yi ngeen di gis quoi bon au début euh, euh, c'est un truc qu'on faisait à la maison pour juste la passion bëgg animaux rek nek ci quoi après nous créer ferme bi après un frère yo xamné un frère plutôt qui était à l'étranger ñeu nous sommes ensemble associés. Nous sommes un truc familial entre deux frères donc bu mu activité commencé di mag, ñu continuer recruter encore des membres de la famille des sœurs et autres Nous sommes ci ci bureau bi di Bon, 13e édition oui, c'est vrai que nous, sommes dans ñëw daan nous ñëw euh, participer à nañ ci je pense deux ou trois fois depuis le début Nous hein. sommes ñu ñëw avec toute la diversité a un style d'exposition à bu un peu différent de ce qu'on voyait Une innovation yu installation matériel d'exposition à pour montrer un peu que l'Afrique affaire révolutionnaire. révolutionnaire. seulement rester style il faut avancer l'Afrique, faire comme ce qu'on voit en Europe parce que nous, nañ pas difficile par exemple dans le salon de l'agriculture à Paris mais mon frère là associé il a fait presque tous les salons il va dans tous les pays lui il va en Allemagne, euh, en Hongrie, euh, en Espagne, un peu partout. Nous sommes seulement en tant que participant en tant que visiteurs. C'est très difficile en Afrique d'exposer en Europe des animaux. Avec ces normes sanitaires et tout ça, c'est très très compliqué. Voilà, nous a des animaux forts. Nous des documents, des papiers, des prises de sang et tout, c'est compliqué. Très très compliqué. Euh, c'est pas seulement ça. Nous, nous avons des rêves de créer des trucs inédits dans l'élevage mais de la boo tukkee da tu fa war a xam-xam ak c'est vrai Il na yu bari vous xam ne yi foofu daf lay inspirer Tu nga à ta façon parce que par exemple si boo les plans d'eau yi ak bassin yi man amul au salon de l'agriculture mais nous, c'est un truc qu'on a apporté en plus voilà voilà y a une innovation en vie dana yokk innovation bi. bon ferme bi ci boppam ñu ngi ko créé en 2011 C'est lañ créé ferme bi ci boppam mais on existait on existait de nom on existait mais c'était de l'élevage qui se faisait à la maison fa leen doon jaayee fa leen doon yaree fa leen doon defee lépp bu mu demee ba xajatu fa man si laa génn dem loué quelque part di fa def sama élevage chez un ami Pape Mbow moom moo loué woon ci ci toolam ñu nekk fa ensemble di liggéey après au bout d'un an. Il la détaché il a jënd un terrain commencé construire il fait un euh, ñu ngi situé à Bayar, Bayar oui Silla sur la route de Kayar. Pour l'instant, on reçoit les clients qui viennent acheter. Et certaines personnes qui nous disent que nous ferme bi dañu bëgg visiter pour voir ce qu'on peut acheter. Mais c'est pas encore ouvert au public non pour l'instant demaguñu fof dinañ un dem inshallah temps. mais pour l'instant à a niveau boobu quoi mais l'important c'est ñun dañuy nous voyager et quand tu es passionné sa passion devient au-delà même si c'est sa imagination donc nous nous avons animal on fait des recherches nous lit des war recherche war na c'est comme ça que ça se passe par exemple la maille avant nit ñi dañ doon wax mënul dund fii ñun bu ñuy gëstoo def recherche xam nañ ne mën na parce que dëkk yi mu il y a des moments dans l'année où dañuy am ay climat yu bokkul dañuy dem ba am même ay chaleur extrême yoo xam comme ça, amul fii Afrique pendant ce temps là ni def élevage yi foofu dañ leen di comme donc fii lu mu tang, tang. Beaucoup boo ko tondree dafay traverser période de chaleur bi après mu ñëwaat à la normale boo ñëwee à la femme da ngay gis ne bon def na abri yu ils sont dans de grands espaces et ils sont tranquilles ils sont bien ils se reproduisent sur place am na koo xam ne jaayoon naa que ça s'est ça reproduit chez lui sans problème c'est pas très facile hein c'est pas très facile dafa laaj qui benn savoir-faire benn présence physique il faut être là il faut nga am xam-xam ci li ngay def sinon ça ne passe pas parce que tu dois être en mesure aujourd'hui nga ñëw xool bête bi nga xam ne il se porte pas bien si comportement ah, j'ai ça et ça à faire les premiers soins nous mën nañ ko defal suñu Nous Nous ñu au niveau santé animale on fait venir des vétérinaires qui nous ñu apporter seen mais c'est pas simple parce qu'il faut les nourrir il faut les soigner il faut être là Nous xam ce ñu nous ak bon euh, certains animaux chez nous c'est des animaux sans retour c'est des animaux parce que nous avant d'être vendeurs ou autre chose on est des passionnés des animaux ça nous appartient, c'est pour nous-mêmes. Donc il y a plein d'animaux qui sont là-bas, c'est sans retour, hein. c'est pas pour chercher de l'argent. C'est pour le plaisir et pour l'innovation, pour montrer, pour promouvoir certaines races d'animaux. Donc c'est des animaux qu'on garde chez nous, ils les donnent tout au long de l'année. Vous nous reproduirez, on peut vendre les petits, budget va faire remplacer les parents, les pas tout au long de l'année sur certains animaux mais il y a d'autres animaux il faut que nous def reproduction wala ñu indi jaay yenn pour nous couvrir charge yi nga xam ne moom ferme bi di di di parce que c'est ay charge la quand même on a on a du personnel on les nourrit y a l'électricité à payer y a pas mal de charges hein, yoo xam ne yi euh, dafa laaj benn euh, gestion bu stricte pour nga mën si génn. Facebook moyen la tey de communication boo xam ne bon ñëpp dañ koy seetaan dañ koy gis à travers le monde nekkoon nañ si ay création de sites professionnels mais ñi ko doon gérer ñi ko doon créer ils n'étaient pas trop à la hauteur donc euh, mais nous avons recommencé faire un site Je xam que dañ koy am Facebook bi quoi mais Facebook bi ça va nous avons consulté et nous avons ñu fa bu quoi. bon les contacts sont là il euh, euh, y a le 655 81 36 après il y a membre bureau 436 65 mon assistante on espère on exporte beaucoup vers la sous-région. Il région animaux y a des moments où chez nous moi j'appelle ça la CDAO, parce que a retrouvé retrouver toutes les nationalités africaines chez des animaux Il y a des moments où bu ils se rencontrent là-bas oui c'est très très très très intéressant Nous, hein. avons révolutionné l'élevage d'une manière euh, franchement incroyable hein. c'est intéressant il y a des petits trucs à améliorer mais de manière générale c'est excellent c'est excellent. Bon, par exemple, côté pub, il faut que nous yi à l'avance 15 jours à l'avance pub un peu partout nous xam un am salon préparé wu préparé euh, pour drainer plus de monde quoi. communication oui communication parce que Taïdi, on est en visite à l'image euh, du salon de l'agriculture a un salon international Il faut fa demoon tey jii heure bi et puis aussi, mën nañ aussi xool période de vacances par exemple euh, vacances Noël tous les enfants dañuy viennent tous les jours du ñu seulement les week-ends ils vont venir tous les jours Et nous a def genre calcul aussi. bon di wax gars nous ñu gën a euh, voilà l'élevage est là il y a la passion c'est intéressant on a encore du chemin à faire Je ne pas que tamit ñu xam le chemin est long et que nous day ñëw tey qui donc il euh, y a des choses à faire à venir, mais il faut mais patience la persévérance